commencer. Je vous remercie pour votre présence et le temps que vous nous accordez. Euh, je vais passer la parole à Maître tin président de l'Union sociale libérale, euh, qui va vous parler de son projet politique, vous exposer ses intentions pour le pays que nous partageons. Merci. Euh, merci, Monsieur Bas. Mes remerciements à la presse qui est présente en nombre aujourd'hui, ce qui témoigne de l'intérêt que vous portiez au lancement médiatique de notre mouvement qui est dénommé Union sociale libérale, USL. D'abord, depuis prime abord, qui sommes-nous Des citoyens engagés comme vous. Notre objectif est de rehausser le niveau de la politique au Sénégal afin que les personnes soient à la hauteur des talents et des espérances des Sénégalais. Nous sommes des citoyens convaincus qu'il est temps de redonner ambition et passion à la politique dans notre pays. Comme vous, nous avons décidé de refuser la résignation et la fatalité et de considérer que la politique ne doit pas se réduire à la démagogie et à des promesses non tenues. Nous pensons maintenant qu'une autre manière de faire de la politique est possible. Oui, faire la politique autrement. Celle qui mettra les intérêts de la patrie au-dessus des intérêts des partis et reposera sur des soubassements éthiques et moraux. Oui, pour nous, la réalisation de cet objectif passera évidemment par un renouvellement du personnel politique. C'est pourquoi nous, nous ambitionnons clairement de faire émerger et de promouvoir une nouvelle génération d'acteurs au sein de l'espace public sénégalais. Oui, il s'agit pour nous de trouver un nouvel équilibre par un renouvellement du personnel politique. C'est pourquoi nous ambitionnons de redonner goût et pouvoir individuel aux citoyens pour se mobiliser ainsi dans la réalisation de notre projet collectif. À partir de là émerge une autre question. Pourquoi sommes-nous constitués en parti politique Nous avons constaté que l'heure au Sénégal n'est plus à la réflexion simplement c'est-à-dire au think tank, mais à l'action sur le terrain. Dans les médias, sur chaque partie du territoire où vous êtes, ainsi que de la diaspora. Nous avons constitué un parti politique car nous sommes convaincus que le changement, la vraie rupture, forcément passera par la prise de mandats électoraux pour pouvoir mener les transformations indispensables aujourd'hui pour notre pays. USL est un parti totalement ouvert dans lequel les responsabilités sont à prendre. Allier ambition individuelle et responsabilité collective, tel est notre credo pour réinventer ensemble le modèle politique sénégalais. USL est un parti dans lequel nous voulons que des citoyens puissent prendre les rênes rapidement plutôt que de rester militant anonyme, parfois à vie, c'est-à-dire à être considéré comme une machine à voter, parfois sans reconnaissance. Si vous êtes un citoyen sénégalais, convaincu que le futur se prépare maintenant, le parti USL est le vôtre. Entendez donc être concepteur de ce nouveau projet politique qui est en train de se mettre en place. Ce parti est le vôtre. En un mot, USL, pour nous, c'est hisser les talents au pouvoir. Oui, vous l'aurez sans doute compris. Avec USL, il s'agit de reprendre le pouvoir, de redonner le pouvoir aux citoyens, pour arrêter de devenir des citoyens, spectateurs, impuissants des intrigues politiques et de la réalité. Avec USL, notre dynamique est de permettre aux citoyens de revenir de redevenir des acteurs à part entière de la marche de la cité. Oui, le mouvement que nous entendons promouvoir se veut être un parti sans pesanteur, sans baron qui verrouille l'accès, un parti qui se veut être un ascenseur et un aspirateur, un socle de compétences à mettre collectivement au service du développement du pays. Oui, nous voulons constituer une communauté de citoyens sénégalais engagés au service d'un projet de responsabilité et d'initiative pour le Sénégal. Donc, vous l'aurez compris sans doute, notre objectif clairement affiché est dissé, un jour cette vision sociale libérale au rang de projet politique national. USL donc, en résumé, est une somme d'individualités déterminées à assurer la réussite collective. Ce projet est issu d'un long processus de maturation à la fois individuelle et politique, institutionnelle. Individuelle déjà parce que intellectuellement, nous avons initié une démarche de consultation, d'écoute, mais aussi d'échange avec des citoyens qui nous ont fait part de leurs préoccupations concernant la marche du pays. À partir de là, bien sûr, nous avons jugé utile de mettre un cadre, un snack, où allait s'élaborer des réponses politiques appropriées par rapport aux problématiques et aux difficultés soulevées par les citoyens. À partir de là, en mai 2014, précisément, nous avons décidé d'institutionnaliser ce mouvement et à partir de là, une assemblée générale constitutive a été convoquée, mandat m'a été donné d'initier les démarches nécessaires à la reconnaissance de ce parti politique. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer, en même temps que nous faisons le lancement médiatique de ce parti, que c'est un parti qui est reconnu nous avons eu la reconnaissance, notre récipicé signé par le ministre de l'Intérieur le 21 septembre dernier. Donc, en même temps que nous faisons le lancement médiatique, donc j'ai le plaisir de vous annoncer effectivement que nous avons une existence tout à fait légale. Ce qui veut dire effectivement que désormais, l'USL entend prendre part à tous les rendez-vous démocratiques vous l'aurez compris sans doute, il s'agit des élections législatives, mais aussi présidentielles. Désormais, USL, effectivement, se veut être une force politique transformatrice qui entend bien sûr reprendre le pouvoir et le redonner aux citoyens. Quelles sont nos valeurs alors USL est le seul parti politique sénégalais, pour l'instant, à se réclamer, je dis bien ouvertement, de l'idéologie sociale libérale. Oui, nous prenons une vision pragmatique de la politique au Sénégal, une doctrine de l'action. Nous sommes convaincus aujourd'hui que l'ordre politique sénégalais ne peut plus être le seul fait de bâtisseurs d'utopie et que les actions concrètes doivent être conduites avec pragmatisme sur la réalité de notre pays qui pourrait donc nous amener à atteindre dans un délai raisonnable les objectifs d'une vie sociale harmonieuse qui est souhaitée. En un mot, on peut dire quête sociale libérale. Pour nous, c'est d'accepter le fonctionnement du marché et le primat des libertés tout en rétablissant une exigence de justice qui transcende les droits individuels. Notre histoire politique, l'histoire politique du Sénégal, nous enseigne qu'il y a des socialistes dans ce pays qui ont mené des politiques libérales. Non pas parce qu'ils seraient des libéraux, mais c'est parce que sous le poids de la réalité politique, ils ont cessé d'être socialistes tout court. J'en veux pour preuve les réformes des années 90 dans le cadre de la mise en œuvre des programmes d'assistement structurel, des engagements de l'État, réduction de la fonction publique, des effectifs de la fonction publique, mais aussi effectivement privatisation de la santé, et j'en passe. Et ils ont dû ainsi se rendre à l'évidence. L'évidence étant que, pour atteindre leurs objectifs du moment, c'est-à-dire l'idéal social de l'époque, il fallait mieux passer par le libéralisme que par le socialisme intrinsèque. Comme inversement, nous avons assisté avec l'alternance de 2000 à 2012, sous le régime libéral, à la mise en place de politiques éminemment socialistes qui ont été mises en œuvre, et ceci à tous les niveaux. Pour preuve, je vous citerai juste la généralisation des bourses, bourses pour tous les étudiants, qui n'est plus le cas, mais également les plans donc à caractère et à vocation sociale, sociaux plutôt, comme le plan Yahai pour les logements, ainsi de suite. Donc, vous l'aurez sans doute compris, aujourd'hui, on n'est pas là pour se gargariser des principes, que ce soit du socialisme intrinsèque ou du libéralisme. Mais plutôt, il s'agit pour nous de réaliser une nouvelle synthèse. Une nouvelle synthèse, ça veut dire effectivement que pour nous, être social-libéral, c'est être dans le pragmatisme, dans l'action, c'est-à-dire prendre le meilleur de chaque pour pouvoir élaborer effectivement des politiques publiques pour répondre de manière appropriée aux besoins, aux défis économiques et sociaux. Vous l'aurez sans doute senti, USL est un parti. C'est un parti de rassemblement parce que c'est un parti transpartisan, c'est un parti qui se veut être le parti des sans-partis, c'est-à-dire des citoyens qui jusqu'ici n'étaient pas dans des partis politiques, c'est un parti aussi de la société civile parce que bon nombre de ses créateurs sont aussi de la société civile, mais aussi c'est un parti indépendant. Indépendant parce qu'il est indépendant de la majorité actuelle et de l'opposition et en tant l'être parce que pour nous, effectivement, il s'agit de forger et de créer une voie nouvelle oui, créer une voie nouvelle pour pouvoir apporter des réponses spécifiques. Donc, vous l'aurez senti, USL, ce n'est pas un parti qui repose sur une ambition individuelle. Ce n'est pas un parti qui repose sur une rancœur. Mais c'est un parti, effectivement, qui a vocation à répondre aux besoins du moment. Et notre processus d'écoute nous a permis de sentir le constat qu'il fallait aujourd'hui, au stade où en est le Sénégal, procéder à la formulation d'une nouvelle offre politique. Parce que tout simplement, pour nous, la politique ne peut pas être réduite au scandale politique, la politique ne peut pas être réduite à une somme de promesses non tenues, mais la politique doit être réhabilité aujourd'hui. Réhabiliter la politique, c'est remettre les citoyens au cœur de l'action publique, c'est faire de sorte que dans ces institutions aujourd'hui, où le citoyen n'est plus écouté, où il ne se sente plus représenté, que le citoyen puisse reprendre le pouvoir afin que l'action de ces institutions publiques puisse toujours être guidée par le bien du plus grand nombre. Voilà le défi auquel nous invitons aujourd'hui les Sénégalais et tout cela nous amène à un constat. Un constat tout simple, c'est que ces dernières années, nous avons noté une désaffection de la scène politique par les citoyens en général et des intellectuels en particulier. Oui, la politique ne faisait plus rêver. D'ailleurs, les gens ont une certaine pudeur même de s'engager en politique parce que la politique était devenue un champ d'affrontement, d'intrigue, d'attaque interpersonnelle. Ces formes de politique, nous n'en voulons pas. Nous voulons que les citoyens puissent aujourd'hui, que des intellectuels, que des artistes, que des artisans de tous bords puissent s'engager pour pouvoir faire de sorte qu'on puisse améliorer les conditions de vie de nos citoyens. Oui, que lorsque l'on parle de politique, que ce soit dans les médias, que lorsque l'on parle de politique tout court dans la vie, que dans l'imaginaire, ça ne regroupe plus, ça ne nous renvoie automatiquement plus à des complots, à des scandales ou à des poursuites, que la politique soit vraiment effectivement un projet. Donc notre vocation, c'est d'avancer dans l'espace public avec une vision, un projet politique bien ficelé que nous dévoilerons prochainement mais effectivement un projet politique qui sera chiffré, argumenté, documenté et qui ne parlera que de politique publique. Encore une fois, l'USL ne résulte pas d'ambition personnelle, on n'est pas dans le cadre de règlement de compte, mais il s'agit pour nous effectivement de forger une voie nouvelle afin que les Sénégalais, que tous les citoyens bien sûr, puissent retrouver goût ambition et espoir par rapport à l'art de gérer la cité. Nous voulons faire renaître la politique au Sénégal telle qu'elle a été conçue par les pères qui ont conçu cette nation. Je veux parler de Léopold Sédar Senghor, je veux parler de Cheikh Ante Diop et tous ces illustres intellectuels, tous ces grands hommes qui ont pu poser les principes aujourd'hui qui ont pu cimenter la société sénégalaise et aujourd'hui servent de socle et de réceptacle à cette volonté de vivre en commun qui fait la force et l'exception de la vitalité démocratique sénégalaise. Donc réhabiliter la politique, telle est notre ambition, ramener le citoyen sénégalais dans le jeu politique, car le Sénégal est aujourd'hui malade de ses institutions représentatives. Oui, vous l'aurez compris, donc l'élection législative qui va se jouer prochainement sera un tournant historique dans la vie démocratique du Sénégal parce que ce sera l'occasion pour les Sénégalais de reprendre le pouvoir aujourd'hui qui ont perdu, ont perdu le contrôle à travers ces institutions. Oui, notre ambition est d'arriver à mettre ces institutions au service des citoyens, c'est-à-dire au service du plus grand nombre. En d'autres termes, pour nous, il s'agit rendre aux citoyens sénégalais son pouvoir de décision, afin que celui-ci pense dans le sens de l'intérêt du plus grand nombre et non de quelques-uns. Réformer la bureaucratie sénégalaise qui ne répond plus aux exigences d'une administration moderne. Nous entendons mener une réforme de fond, aussi bien au niveau local qu'au niveau central, au niveau central, il s'agira pour nous de reconcentrer l'État sur des tâches régaliennes et de laisser tout le reste aux administrations locales. Mais aussi pour nous, il sera question de reprendre des mesures, des mesures idoines pour corriger quelques errements institutionnels auxquels on a assisté. Il s'agit de quoi Vous l'aurez compris pendant que je parle de l'organisation de l'État c'est de l'acte 3 de la décentralisation, qui pour nous, effectivement, n'est pas une mesure appropriée. Au-delà du fait, effectivement, que l'installation du Haut Conseil des collectivités locales n'est aujourd'hui qu'une résurrection suivie d'une transmutation du Sénat. Même mode de nomination, même avantage, et on est incapable de nous expliquer aujourd'hui l'utilité. Donc, cette mesure, c'est une mesure sur laquelle il faudra revenir. Le deuxième point, c'est effectivement le fait même que le pouvoir central demande aux collectivités locales de s'approprier de cette réforme, montre que cette réforme qui aurait dû émaner d'elle n'est pas une réforme, bien sûr, participative. Donc, il faut revenir sur ces errements institutionnels. Revenir sur les errements institutionnels aussi, c'est, vous l'aurez senti, c'est permettre au Sénégal d'avoir un pouvoir judiciaire véritablement indépendant que la justice ne doit plus être un outil au service du règlement des affaires personnelles dans la sphère publique. On nous avait promis la reddition des comptes. En lieu et place de la reddition des comptes, ces dernières années, nous avons eu effectivement un règlement de comptes. Ça, il faut que ça cesse immédiatement. Il faut que ça cesse. C'est rendre les magistrats véritablement indépendants. Et l'indépendance de la justice, ce n'est pas seulement fonctionnel, organique, mais elle est aussi matérielle et elle doit être matérielle. C'est quoi C'est permettre effectivement sortir le président de la République et le ministre de la Justice effectivement du processus de nomination de ces magistrats. Il faut le laisser aux magistrats, de sorte que ce soit le Conseil supérieur de la magistrature qui s'occupe effectivement de la nomination, de l'installation et éventuellement des, des mesures de sanction de ces magistrats. Comment voulez-vous, dans un pays comme le Sénégal, faire raisonnablement croire aux citoyens que le procureur, lorsqu'il décide de mettre quelqu'un sous mandat de dépôt, qu'il est indépendant, alors que lui-même, il reçoit ses instructions d'un ministre de la Justice qui est membre d'un parti politique et qui reçoit ses instructions du président de la République. Peut-on, au-delà de toute, à toute rigueur intellectuelle et juridique, croire effectivement à la raison pour arrêter certains livres, il faut le faire, comme ça existe dans tous les cas, dans les grandes démocraties. Vous savez, la démocratie, comme disait Montesquieu, tout régime juridique, tout régime politique a ses vertus spécifiques. Les vertus de la démocratie, c'est l'apaisement, c'est la modération. C'est aussi le système des check and balances. On l'a vu aux États-Unis avec ce qui s'est passé lorsque Trump, le nouveau président, a décidé de prendre un arrêté qui violait les fondements même de la Constitution américaine, un juge dans son cabinet a eu le pouvoir de l'arrêter. Il faut aujourd'hui arrêter ces dérives auxquelles on assiste au niveau de l'espace public. Et pour le faire, il faudra qu'on crée un juge des libertés et de la détention. Ici, le procureur qui reçoit ces instructions du ministre de la Justice, lui-même qui les reçoit du Premier ministre ou du Président de la République, est l'homme le plus puissant de la République. Et il a le pouvoir de vous mettre sous mandat de dépôt. À tort ou à raison, il suffit simplement qu'on vous soupçonne. Vous l'avez vu récemment, des gens qui ont fait de la détention préventive ont été relaxés et innocentés. Donc, ces dernières années au Sénégal, au-delà de l'instrumentalisation de la justice, nous avons vu effectivement que la détention préventive a été utilisée par l'exécutif en place comme un outil, comme un outil de sanction déguisé contre les opposants. Vous êtes soupçonné avec des indices, sans que votre culpabilité soit démontrée, on vous fait passer par la case de prison. Après, vous êtes relaxé, mais vous aurez déjà été en prison. Est-ce raisonnable Pour arrêter ces dérives, il faut créer un magistrat qui s'appellera le juge des liberté et de la détention. Il existe dans beaucoup de démocraties avancées. Le principe, dans une démocratie, c'est la liberté, parce que c'est la présomption d'innocence. La détention doit être l'exception. L'exception, c'est-à-dire lorsque vous n'avez pas de garantie de représentation. Ces dernières années, on a vu effectivement que le principe, c'est la détention, la liberté, l'exception. On a assisté à des dérives répétables qui doivent cesser aussi. C'est une juridictionnalisation de la politique. Ça, il faut que ça cesse. Tous les politiciens sont aujourd'hui en procès. Donc, est-ce qu'on se va Est-ce qu'on a comme conception lorsqu'on parle de la démocratie. Je pense qu'aujourd'hui au Sénégal, les priorités sont ailleurs. Les priorités sont ailleurs. La politique ne doit pas se réduire à des règlements, à des procès judiciaires. Je pense qu'on est dans un pays où tout est à faire. Sont immenses les défis en matière de santé, en matière d'éducation, en matière. L'ennemi commun, c'est la pauvreté. Et je pense effectivement que lorsque les politiciens avance sur dans l'espace public, ils doivent avoir la hauteur de vue, effectivement, de mettre de côté certaines choses. Avec l'existence de certains délits, les délits de presse, le nouveau code de la presse tarde à être promulgué, alors que derrière beaucoup de lois sont passées. Vous l'avez compris, il y a des délits aujourd'hui inacceptables dans une démocratie. C'est le délit d'offense au chef de l'État le président de la République, dans une démocratie, n'est pas au-dessus de la critique de ses concitoyens. D'autant plus que le même président avait pris l'engagement de démissionner de la présidence de son parti. Il l'avait pris quand il était candidat, je le rappelle. Et aujourd'hui, lorsque engagé dans la compétition politique, ses concitoyens le critiquent, on ne sait pas quand est-ce qu'effectivement on parle au président ou au chef de parti. Et pourtant, demain, on peut vous dire effectivement, que vous avez offensé le chef de l'État. Alors qu'au Sénégal, il n'existe aucun texte, aucun texte qui définit l'offense au chef de l'État. Ce qui veut dire que de prime abord, rien n'est offense au chef de l'État. Tout peut le devenir. Il suffit effectivement que le président s'en plaigne auprès du procureur qui va appeler le ministre de la Justice. Et voilà, donc on met en œuvre. Tout cela, bien sûr, c'est des scories. C'est des textes qui sont aujourd'hui anachroniques, en inadéquation avec les besoins démocratiques du Sénégal et je pense effectivement que sur le plan institutionnel, tous ces aspects, et j'en passe sur certains bien sûr, doivent être mis de côté. Aussi au niveau économique, parce que nous avons une ambition, je pense que le défi c'est la pauvreté, le défi c'est le chômage des jeunes, comment y remédier. La plupart des régimes qui se sont succédés de l'indépendance à nos jours, tous, ils vous annoncent qu'ils vont créer tant d'emplois. La question, ce n'est pas combien d'emplois vous allez créer. La question, la vraie question, si on est dans une vision économique, entrepreneuriale, c'est comment créer un emploi. Qui va créer un emploi Vous tous, de la presse qui sont là, vous émanez d'organes. Créer un emploi, c'est un entrepreneur qui reçoit quelqu'un, qui est d'accord avec lui sur les conditions de travail, et de rémunération, il se passe la main et le lendemain, il commence. Un emploi vient d'être créé. Mais cet entrepreneur, la plupart, c'est des privés. C'est des privés. C'est des privés qui prennent un risque parce que lorsqu'ils s'avancent, ils ont des charges fixes. Et pourtant, ils ne savent pas combien ils vont gagner. Et lorsque ça va marcher, ils vont encore recruter parce que les bénéfices d'aujourd'hui, c'est les investissements de demain. Et donc, ils vont encore recréer de l'emploi. En plus d'avoir créé de l'emploi, mais ils vont payer des impôts. Ce qui veut dire effectivement que la question principale, le paradigme essentiel, ce n'est pas combien d'emplois vous allez créer, mais comment vous allez faire pour favoriser la création d'emplois au Sénégal. Ce qui veut dire effectivement qu'il faut un dispositif qui accompagne l'entrepreneur, qui le sécurise et qui, effectivement, lui garantit un minimal. Parce qu'il prend, parce qu'il prend des risques et qu'il peut tout perdre. On doit avoir un dispositif de main pour l'accompagner si jamais il prend ce risque. Au Sénégal, rien n'existe de cela. Alors comment s'étonner que les gens n'entreprennent pas davantage Donc nous pouvons, en mettant les moyens, l'accompagnement nécessaire et les dispositifs, faire de sorte que tous les Sénégalais ils vont plus se réveiller en disant que je vais chercher un emploi, mais ils vont créer des emplois. C'est possible. Mais parce qu'on est, on raisonne avec des paradigmes où l'on a hérité d'une administration coloniale qui recrutait des individus pour faire des tâches déterminées et qu'on a négligé le volet entrepreneurial, le volet privé. Alors, ce qui crée la croissance, le moteur de la croissance, il n'y a pas de miracle c'est effectivement la consommation. Ça veut dire que tous ces gens qui sont aujourd'hui, c'est des gens qui sont disponibles, c'est des gens qui sont potentiellement donc actifs, capables. Et nous, effectivement, le but de notre engagement, c'est redonner espoir à ces gens, leur redonner la confiance afin effectivement qu'ils puissent retrouver le potentiel, la puissance d'une liberté retrouvée. Voilà schématiquement Mesdames, Messieurs, en substance, ce que je tenais aujourd'hui à vous dire en guise, on va dire, de présentation euh, du projet, des institutions, de l'historique de création de notre mouvement politique. Et je reste à votre disposition pour éventuelles questions ou clarifications dont vous souhaitez reconnaître concernant ce mouvement. Question, je vais aller direct à l'essentiel. Euh, la première interrogation, c'est quel mode de participation aux élections législatives Est-ce qu'on va y aller seul ou dans le cadre d'une coalition Tout à l'heure, dans ma présentation, je vous ai dit que USL, c'est un parti, certes jeune, mais dont le processus de maturation a duré trois ans. Nous avons commencé le processus en 2014, mai 2014, présentement. Donc nous avons pris le temps de constituer D'abord, l'écoute des citoyens, c'est-à-dire pour être à l'écoute des citoyens, d'échanger avec eux, de les associer, ce qui nous a permis d'identifier les problématiques, les variables génératrices. Et à partir de là, nous avons quand même esquissé des projets politiques que nous expliquerons en détail prochainement lors de nos prochaine Ceci étant, c'était aussi l'occasion pour nous de commencer à construire un vrai appareil, c'est-à-dire un partie, de manière méthodique, à travers la diaspora, ici aussi parce qu'on est au Sénégal, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est venu vous parler avec un récipicé de reconnaissance à la main, d'accord Prêt à participer à toutes les séances. Donc, nous avons notre singularité, nous l'avons affirmée, nous entendons le maintenir, mais dans mon propos, je vous ai dit aussi que USL, c'est un parti de rassemblement. C'est un parti de rassemblement, ce qui veut dire qu'on est ouvert à tout le monde, tous les citoyens sénégalais. On ira à leur rencontre. Et parmi les membres fondateurs d'USL, il y a des gens qui n'ont jamais fait la politique, qui s'engagent. Je vous ai dit que c'est le parti des 100 partis. Il y a des gens qui sont déjà dans des formations politiques. C'est pour ça que je vous disais que c'est un parti transpartisans, mais aussi effectivement, il y a le parti des gens qui jusqu'ici doutaient encore de la manière. Donc, c'est vous dire que lorsque nous allons croiser des gens, des formations politiques qui épousent le même combat, les mêmes idéaux que nous, qui partagent cette vision, nous n'hésiterons pas. Parce que, comme je vous ai dit, pour nous, le social-libéralisme, c'est une doctrine pragmatique, doctrine de l'action. Du moment où il ce qui les motive pour une coalition. C'est le bien du plus grand nombre, l'intérêt supérieur de la nation. Nous n'hésiterons pas. Alors, le deuxième point, vous l'avez dit effectivement, la question de la sécurité. C'est une question importante. Nous avons longuement réfléchi là-dessus. Vous avez parlé de l'insécurité que je qualifierais domestique, parce que c'est au niveau de l'État, mais aussi c'est le contexte sécuritaire international. Moi-même, il y a dix ans, quasiment bientôt, j'ai été expert de la France dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. J'ai été expert indépendant en Asie du Sud-Ouest. À l'époque, l'Afrique ne connaissait pas encore les problématiques terroristes. Donc, j'ai été aussi expert du ministère des Affaires étrangères. Je continue à travailler sur cette question de thématiques euh, terroristes ici au Sénégal, dans cette salle, en 2012, avec l'université de Dakar où j'enseigne, on a créé le CERIS, Centre d'études des relations internationales et stratégiques de l'Université Charente On a une réflexion très en amont sur les questions de sécurité. Le but pour nous, effectivement, pourquoi, et c'est ça la modernité du cadre du parti, on ne se limite plus à la réflexion. On est membre de plusieurs think plusieurs sociétés de pensée, mais c'est réussir effectivement à faire cette articulation entre les chercheurs et les décideurs pour pouvoir apporter des solutions concrètes et opérationnelles. Voilà. En, résumé, c'est une question qui est centrale au niveau de notre thématique, de notre programme, aussi bien la sécurité au niveau national. Il faut un vrai plan de sécurité parce que, vous l'avez vu, la police, dans une démocratie, le bras séculier, ce qui incarne la loi, c'est la police, l'institution la plus présente dans notre vie. Lorsque vous parlez de la police sénégalaise, ce qui vous frappe le plus, c'est le manque de moyens. Moi, quand j'ai fait mes déclarations en 2014 et j'ai été convoqué à la direction générale des renseignements généraux, la personne qui me prenait les empreintes me disait que tout le monde est passé par là. Maki, Idriss, tout le monde m'a donné les noms. Tous, ils les promettaient d'améliorer les moyens. Quand je suis arrivé, c'est l'encre à l'ancienne. Et après, on vous donne même pas de moussoir, mais un torchon qui est prêt Et après, vous vous essuyez et vous avez l'encre pendant au moins deux jours. C'est pour vous dire que l'institution doit être à la hauteur de notre ambition. Et effectivement, la politique, pour un État, la durée de vie d'un État, elle est illimitée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'étonne que le Sénégal ne puisse pas trouver en urgence des machines de radiothérapie. La question de la politique, c'est l'allocation des moyens. C'est des choix. C'est faire le choix entre installer un conseil de, de collectivité dont on n'a pas encore déterminé la mission ou l'utilité, et choisir effectivement de donner des véhicules à la police, de mettre un numéro d'urgence, de faire de sorte effectivement que cette institution puisse être présente et s'incarner dans la vie de tous les citoyens. Merci. Je ne souhaiterais pas évoquer les dossiers que je traite en tant qu'avocat. C'est un bonne voie, c'est un très bon voie. Merci. Hmm. Alors, oui Pardon Le Wolof Oui. Alors, sans plus tarder, peut-être il me demande. Oui, une ou deux questions, après on passe euh, au Wolof, parce que j'imagine vous avez d'autres impératifs pour le journal. Hmm. oui, je vous écoute. merci. Je vais y répondre très sommairement parce que, comme je vous ai dit, j'ai cru comprendre que vos collègues ont les impératifs par rapport à la présentation du journal. Donc on va attaquer tout de suite après la réponse, si vous le voulez bien, au Wolof. Alors, l'axe politique qui va guider, comme vous l'avez évoqué effectivement, euh, pour nous, le social-libéralisme est une doctrine de synthèse de synthèse, c'est-à-dire prendre ce qu'il y a de mieux dans le libéralisme et ce qu'il y a de mieux dans le socialisme. En se fondant sur les spécificités du Sénégal, mais aussi en apprenant sur les erreurs des régimes passés. Ce qui veut dire que pour nous, comme je l'ai dit dans mon propos, il ne s'agit plus de croire à des bâtisseurs d'utopie. Ça ne veut plus rien dire, vraiment, dire que je suis intrinsèquement socialiste. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de politiques donc d'obédience libérale qui sont appliquées par les régimes. On le sait. De la même manière, on est dans une société où la majorité de la population est pauvre. Donc, il y a un besoin de protection. C'est-à-dire entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et c'est la loi qui libère. Ça veut dire qu'on a besoin de régulation. Quand on a choisi en 2013, on parlait de social-libéralisme, actuellement la France est rattrapée par ce débat, avec d'abord Valls, Macron et d'autres. Quand on a commencé en 2013 notre réflexion et à monter les statuts de notre parti, qu'on a déposé le 12 mai aucun de ces candidats ne parlait de cela. Ils étaient déjà dans leur gouvernement. Mais nous, déjà, en constatant la réalité, notre capacité d'anticipation nous a permis effectivement de déceler qu'aujourd'hui, ça n'a plus de sens de parler d'idéologie intrinsèque. Et qu'aujourd'hui, le parti majoritaire au Sénégal, c'est le parti des 100 partis Et qu'il fallait être dans une optique de rassemblement rassembler tous les gens qui ont de l'ambition pour le pays, rassembler tous les gens qui veulent que les choses se fassent autrement. Et c'est ce qui nous a convaincus de la nécessité, effectivement, de se regrouper en parti politique, de ce positionnement social-libéral qui est une doctrine de l'action, qui est quelque chose qui va aller droit au but, c'est-à-dire identifier les problématiques et apporter les solutions appropriées. Donc c'est vraiment quelque chose d'ouvert. La deuxième question euh, par rapport à mon agenda, euh, au niveau de notre mouvement, et c'est ce qui fait effectivement la particularité de notre mouvement, comme je vous ai dit, quand je vous disais que l'Union sociale libérale est un parti sans baron, sans verrou, et que les citoyens, on les invite à être membres et à prendre des responsabilités, nous voulons fonctionner comme un véritable mouvement. C'est-à-dire que je sois là ou pas, moi, aujourd'hui, en toute humilité, j'ai accepté d'endosser cette responsabilité, d'endosser le leadership. Mais derrière, effectivement, c'est des membres, d'éminents membres, qui font partie de l'Union sociale libérale et que vous aurez l'occasion de connaître dans les jours et les mois à venir. C'est des gens qui ont de l'expérience, c'est des gens effectivement qui ont des ressources intellectuelles, matérielles et financières capables de faire fonctionner cette formation politique. Et par rapport à cette problématique d'ailleurs, on a, on invoqué largement. Il y en a même un qui nous disait que le chef de l'État sortant, Abdoulaye Wade, il vivait neuf mois en France et trois mois au Sénégal. Ça ne l'a pas empêché d'être président de la République. Oui, quelle garantie on n'est pas connecté par rapport au pouvoir Satellitaire. Bon, je pense que vous me connaissez quand même assez pour le courage de mes idées et mon indépendance. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, le Parti social-libéral, c'est un parti indépendant. Et quand je vous dis indépendant, c'est indépendant de l'opposition, mais aussi c'est indépendant de la majorité. Parce que nous ne se reconnaissons ni dans les pratiques de l'un, de l'une plutôt, la majorité, ni dans l'autre. Et c'est pour ça qu'on est convaincu qu'il faut initier une démarche nouvelle, une voie nouvelle. Et on entend effectivement affirmer notre particularité. C'est pour ça qu'on a décidé de créer une nouvelle formation politique qui n'a pas vocation de rejoindre ou de migrer vers le pouvoir, je vous le dis tout de suite, ou vers l'opposition. Nous voulons prendre le temps. Ça prendra le temps qu'il va prendre. Nous allons créer un vrai appareil politique avec une doctrine idéologique, avec des militants que nous allons entreprendre de former et pour atteindre cet objectif qui est double, arrivé effectivement à un renouvellement du personnel politique au Sénégal, faire émerger une nouvelle génération d'acteurs au niveau de l'espace public. C'est important. Lorsque nous avons fait cette écoute citoyenne, ça nous a permis de voir que la majorité des citoyens sénégalais étaient intéressés par la politique. Mais ces dernières années, la politique a tellement dérivé que même dire que je suis politicien, vous devenez suspect. Et on avait même du mal, certains vous disent que j'ai du mal à l'assumer vis-à-vis de ma famille ou mes amis. Pour nous, c'est réhabiliter la politique, faire de sorte que les gens soient fiers d'être politiciens. Parce qu'être politicien, au sens intrinsèque du terme, je dis, c'est pas avoir des rancœurs parce qu'on vous a évincé dans vos avantages. Nous, notre avantage, c'est qu'on est indépendant et qu'on a des rancœurs contre personne et qu'on n'a pas créé un parti parce qu'on a une ambition personnelle, mais parce que tout simplement, et vous l'avez vu pendant des années, j'ai été ici avec la société civile, présent dans beaucoup de combats, dans beaucoup de conquêtes, avec beaucoup de risques, mais on a toujours assumé nos positions. Mais on a vu effectivement qu'il ne suffisait pas seulement d'être contre le pouvoir pour pouvoir changer les choses et qu'en un certain moment, lorsqu'on a pratiqué contre-pouvoir, ça ne marche pas, ce qu'on est capable, parce que les gens ont le talent, ont le savoir-faire. Pourquoi pas prendre les commandes C'est pour ça qu'on s'est convaincu de créer un parti politique, de prendre des mandats électoraux et aller à la soupe. Et ne pas se donner les moyens de rendre cette indépendance effective, c'est une malhonnêteté intellectuelle. Ce qui veut dire effectivement, et ça on n'a pas le... Parce que là, je vous rappelle qu'on est dans le cadre d'un lancement médiatique, le but parce que la plupart des partis, à peine créés, ils vont faire une conférence de presse en vous disant qu'on existe. Après, ils, ont, ils redisparaissent. Nous, on a pile de temps. Il y aura un deuxième moment, une deuxième phase qui va arriver. On va exposer point par point, y compris la sécurité, de manière argumentée et documentée les réformes appropriées qu'on entend faire. Et par rapport au Conseil supérieur de la magistrature, je ne suis pas le premier, effectivement, à le dire. C'est quelque chose qui est préconisé par les juristes. Il y a d'autres qui préconisent même l'élection. Pourquoi pas D'accord Pour certaines hautes juridictions. Tout ça, c'est des pistes à explorer. C'est des pistes à explorer. Tienne Tewai qui lancement bi nga mon lancement ou parti politique Boubès, bees bi nga 5, union sociale libérale lutax ñu tuddé ko union sociale libérale parce que dañu japp né dëkk bi doxinu dëkk bi dafa tollu fi nga xamné que citoyen sénégalais yépp ñoo manko que anam yuñ ko yoré ak loxo yi ñuñ ko yoré dëkk mi waron na am benen doxine mënon na yegg feneen fu mu yegg

buñ ko yoree woon noonu dëkk bi dana gën a sori ci du mu nekk bañ leen dégloo ñoom ñëpp ci tënk bu ñu yegg bu ñu jàpp moom mooy dañu waroon organiser benn cadre c'est-à-dire benn kuréel kuréel bi nga xam ne danañ fa toog xool mëbët yu won problème yu ñu diis nan lañ ko mën a ci lañu xol xol que problème yoyu dal manam changement rupture coppite pour mu am ci réew mi foog yorine bi nek neneen c'est-à-dire foog dëkk bi ci boppam mu changer ay lox loolu rek moo mën a tax coppite te dëgg moom pour mu changer ay loxo ci démocratie ñëpp xam nañu élection rek da ngay ñeme dem élection législative léegi mu yegg boo gagné majorité am parlement mën nga définir sa politique appliquer say idées ñu ne donc dañuy sanc parti dañuy sanc dañuy samp suñu dënd tam pour législative ñu ne aussi que boo amee majorité

moom mooy politique d'al, manam complot la baara yógoo la genre théâtre la dañuy ñëw bu élection amé, jege si leen wax leen ñu leen après do leen déggati ba élection ñëwaat ñu laajaat la fexe nu ñu leen naxee dem ñu ne loolu nak foog mu dag ci dëkk bi pour mu dag ci dëkk bi moom mooy dootuñu nangu ñuy am assemblée nationale bi nga xam ne dañuy ñëw toog bu ñu leen falee xam dañ ne peuple bi boo fal parce que dañuy dem campagne gëmloo leen ni sen intérêt la ñuy défendre fofu buñu togué né la na ñoo am majorité né la le parti avant la partie ñu né lolu dina tak ci dëkk bi fi Sénégal citoyen moy fal te moy fol ku ko fàtte itam bés dina jot ñu fàttali lolu lolu motax ñu né dañu wara réhabiliter politique c'est-à-dire a politique respectabilité politique ak politicien que politicien buñ ko waxé ñu dal di lu ñom Mamadou Dia def ci dëkk bi ñu Blaise def ci dëkk bi Léopold Sédar Senghor def ci dëkk bi que politique xel du politique nous complot la politique nous kenn la né

réhabilité politique def que politique ku koy def do fi nek di laqatu wala ngay justifier que bo duggee ci politique ñu xamné intérêt wu réew bi mo la taxaju bo fi duggee ci nga di damay politique ñu xam ne yow kat ngëm-ngëm ak Pastef mo nek sa ginnaw lolu mo tax nga taxaw lolu boy suñu ambition lolu nak pour ñu créer ko yegg ci anam yoyu il fallait ñu créer ñun formation Bou bees bi nga xamné day indépendant c'est-à-dire jógewul jotewul dara ak majorité mais jotewul dara ak opposition motax tax ñu créé suñu formation mais dañu japp ni dëkk bi bo xolé la plupart politique ñaari camp la soit socialiste wala libéraux doxinu àdduna wan nañu que bo jëlé socialisme amna lu ci baax am lu ci bon boo jëlee libéralisme am na lu ci baax lu ci bon ñun jàng nañ xam nañ gëneel yu mu am ci socialisme gëneel yu mu am ci libéralisme ak tam musiba yu mën a jur socialisme gis nañ ko Chine ak yeneen ci dëkk yu nga xam ne ay yu ñoo fa am ak ay Cambodge libéralisme tam xam nañ ne euh, bu ñu bàyyee liberté rek rek rek te ñëpp yàlla dafa def nii méngoowuñu doole maanaam ku mën sa borom duma lay doon

Décidé ko comme ça ñun dañu jàpp ne liberté lay war a ma dem université wala ma bañ dem université président moom sax wax na ko ci boppam famille bu ma jógee woon famille bi nga xam am nañ doole wante yàlla def na jaar université nekk naa lu ma mais ban droit nga am léegi sañ xele beneen bi nga xam ne judd na ci anam yooyu nga ne yow doo dem université man may décider pour yow dañu ko wara a indiwaat moo tax ñun ci suñu programme dugal nañ ci aspect bu ñu ñëwoon jël réew mi inshallah réforme boobu dañu koy appliquer joxaat rétablir chance égalité des chances pour ñëpp boo bëggee dem université nga dem université man fii laa jàngee def université Cheikh Anta Diop dem France dem tugal dem lu ma kii ñëwaat di jàngale fii di liggéey foofu parce que sama choix personnel la dañu war a jox sens ñëpp ñu def ko loolu moom mooy libéralisme mais aussi def système de protection bon bu loolu weesoo moom moy luñu joytu fi, ci dëkk bi dañu gis la plupart du temps nit ñi bu campagne électorale dañuy ñëw gëmlo askan bi que bu ñu pouvoir bi ñi lañ koy doxalé manam ñun dinañ def né justice bi day indépendant ñun justice bi duñ ko mës yëkëti di jaay doolé kenn wante bu ñu pouvoir bi ñun luñu ci jàngat ak lu ko moy dañu waxoon ne ku luubal alalu réew mi di ko indiwaat loolu ñëpp a ci ànd amul benn sénégalais bu raisonnable bi nga xam ne mën nga ñëw gis nit luubal alalu réew mi nga ne yaa ngi koy jàppale ñëpp a ci jàpp ñëpp a ci méngoo mais dañu xool ne dañu gëm woon ne sénégalais yi que ñun ñu luubal alalu réew mi nañ fexe ñu indiwaat ko wante ci ginnaaw ay réglement de compte la woon parce que ci démocratie luy aar nit moom mooy loi loi bi nag. Nous duñ ko jël di ko jaayee parce que système démocratie suñu sécurité ñun ñëpp moom mooy ñu mën def que loi wu république yi du changer en fonction acteurs yi ak circonstances que loi yi day nekk fu mu nekk ñu appliquer appliquer pour mu mën a doon il faut que justice soit indépendant parce que juge moom mooy aar suñuy liberté alors léegi nag loolu pour ñu am ko il faut que président ministre de la justice

bi nga xam ne moom laa leen wax ci nasar wasalaam